réduction des comptes, la jëf tous les rapports doivent être doivent être publiés ça aussi dafa bok ci reddition des comptes Ce rapport yi public, public sénégalais yi y ko ñu téy ko xam li qui xam li ci nekk ak lu ci nekkul mais il faut dire que la reddition des comptes les rapports publiés ne signifie pas culpabilité moy manam waji ji toute personne avant condamnation jusqu'à terme bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc le Premier ministre m'a annoncé la couleur ba réduction des comptes la réduction des comptes ne signifie pas arrestation la réduction des comptes ne signifie pas interdiction de sortie du territoire Comme l'air. De arrestation d'interdiction interdiction de de de de de de de de quitter le territoire national. parce que arrestation on lay arrêté day que nous avons prévu l'air, l'air, nous lañ lay je ça ce sont les propos du président de la République. lors de son interview je reprends au mot le chef de l'État. Arrêtez arrêter les gens mais day que nous am lu ci loxo ci sa loxo pour mën ko arrêter mhm. xam ndax def na wala deful ci sa loxo mhm. loolu le président de la République ma waxoon donc la réduction de compte ne signifie pas arrestation mhm. ne signifie pas ne signifie pas <clears throat> interdiction de sortie du territoire pourquoi mané ne tekkiwul arrestation lu tax tekkiwul arrestation parce que ki ngay jàpp day fekk nga am ci moom lu leer mais terewul soo ko jàppee am na ce qu'on appelle la preuve mooy maanaam présomption d'innocence am ko. donc waroo ko bundu khatal waroo ko Il arrestation téréwul nit génn Sénégal téréwul nit tukki lutax parce que ñent mbir yi moy téré nit génn réew mi. génn réew ñent mbir yi moy téré nit génn réew. moy décision de justice. wala mu bo su démé ci réew mën na fa andi mën na andi pandémie wala épidémie ñu téré ko ñu téré ko mu génn mu toog ci réew mi. wala mu am problème ak fisc comme ni ko directeur général XBET bi premier bet amé woon. ñu téré ko mu génn réew mi parce que dafa am problème ak fisc dafa war a fay impôt fisc. Mhm. wala mu am problème ak douane. Mhm. ñeent yi mooy tere nit génn réew. Mhm. ci cas yi ñuy wax les anciens dignitaires ñenti cas yi dara topp leen ci. feebaruñu amuñu problème ak fisc amuñu problème ak douane mhm. euh, euh, kenn condamné wu leen mhm. li xew ba ñu dëpp leen li xew mooy ce qu'on appelle le banditisme d'État mhm. parce que su nekkee kenn toppewu leen dara yoon pour mu empêcher leen ñu génn réew mi ñeent yi la soo leen empêcher ñu génn réew mi viole ngeen seeni droit donc ñaar ñi dañoo violer seen droits. képp koo xamante ne bëgg ñu tere la génn violer nañ say droits parce que ils ne sont pas sous la sous le coup de la détention ils ne sont pas poursuivis voilà. Mhm. jusqu'à présent kenn toppul Mamadou Gueye kenn toppul Ablaye Seydou Sow kenn pour Lat Diop mhm. kenn toppul Ken. jusqu'à présent on ne poursuit personne. Mhm. lu tax ñu tere jusqu'à présent ñooñu benn yoon daanu leen. lu tax ñu tere leen génn jusqu'à présent ñooñu amuñu problème ak fisc lu tax ñu tere leen génn jusqu'à présent ñooñu amuñu problème ak douane lu tax ñu tere leen génn. jàpp ni dañuy bëgg daw. du bëgg daw sax parce que ñoom ñaax ñëpp a euh, ce qu'il paraît joueurs yi la ñu bëggoon. waa déglu rek jàpp ni. Mhm. dañuy dañ fay jaaree daw. Mhm. loolu c'est violer leur droit. de libre circulation et des droits de l'homme de war a ci parce que nous ki dafa am droit am libre circulation et c'est l'État qui doit garantir la libre circulation des personnes et des biens mais attaquez quoi attaquez la décision parce que jusqu'à présent il n'y a pas eu de notification officielle parce que l'administration elle est écrite et jusqu'à présent moi personnellement gisuma une notification officielle interdisant la sorte du territoire aux anciens dignitaires parce que le Sénégal est le Sénégal pour tous est un Sénégal pour de tous donc il faut que permettre de du moment où ces gens là kenn toppewu leen dara pour l'instant pour l'instant là. pour l'instant mm-hmm. puisque kenn toppewu leen dara dañ ne dañuy def réduction des comptes mais attends bu ñu taxaw bu ñu yàkkamti parce que aussi le maître des poursuites c'est qui c'est le procureur de la République c'est le procureur de la République qui est maître de poursuite c'est Ibrahima Ndoye bëgg <laughs> man mm-hmm. il comprendra c'est Ibrahima Ndoye bëgg mm-hmm. qui est le maître des poursuites il n'est pas le maître des poursuites le premier ministre n'est pas le maître des poursuites. Mm-hmm. il n'est pas il ne gère pas l'exécutif il ne gère pas le législatif il est une partie de l'exécutif mm-hmm. et il ne gère pas l'exécutif il est une partie de l'exécutif donc, il n'est pas le pouvoir judiciaire ni le pouvoir législatif. Maintenant, si les acteurs politiques et chefs de parti, limi wax nako ko ci permanence am su ko pas ci permanence am kenn du ko de su demoon permanence am wax fa lam fay wax kenn du mer. parce que c'est l'acteur politique qui parle. Mhm. et maintenant, on ko comprendre parce que je sais faire la dichotomie entre l'homme politique et le premier ministre de la République du Sénégal. Mhm. parce que un premier ministre des dossiers qui ne sont pas pendants devant la justice même si les dossiers sont pendants devant la justice et ci wax. Mhm. et amul droit d'être juge et partie le droit d'accuser quelqu'un sans pour autant que le procureur puisse s'autosaisir par rapport à des dossiers par rapport à de telles situations. Mhm. c'est les c'est les mêmes pratiques qui se répètent la violation des droits des gens, la violation de nos textes, la violation de notre constitution. Nous sommes ce qu'on disait de Wad, de Mac c'est du Wad sans Wad. Présentement, nous sommes dans le maquis sans maquis. Ce pouvoir-là fait du maquis sans maquis. Hmm. C'est une continuité. Hmm. Et cette continuité-là va perdurer. Cette continuité, ils nomment comme ce que les gens nommaient. malheureusement la bamboula existe dans ce régime là les influenceurs qu'on amène à Matam logés nourris sur le frais des contribuables sénégalais mhm. waouh les influenceurs qu'on amène partout logés et nourris sur le frais des des des contribuables sénégalais loolu mhm. bambula la nos la so gisee vidéo yi seen biir oto pendant que les sénégalais sont en train de souffrir ñoom ñi ngi talax di fecc ci biir oto yi di wone l'opulence au peuple sénégalais les sénégalais sont en train de souffrir waxuma ñoo leen ko teg parce que nag du sañuma ko mm. mais war nañ xam les priorités exactement suñu xamoon les priorités mm-hmm. Nous sommes sommes ci bambola de un premier ministre qui se déplace